ai ma yogati maryam abdu man zumunci ir duwaran na fukul duma ir gogo goro ir si faham da haikulu kalma dan je m'appelle maryam abdu du man zumunci madan le groupement nous a fait bénéficier de beaucoup de choses grâce à madame Mouri Aminata qui nous dit de nous lever combattre car bah, il est de temps de Nous avons appris beaucoup de choses dans la farine de maïs, du couscous, du bleu, couscous du maïs, du moni avec lesquels on fait la bouillie. Et cette transformation, nous l'avons faite sans produits chimiques. yamantur mu safar fodan ira igirse ne wa